l'info après le plébiscite euh, du régime au législatif, le président Bassirou Diomaye fait accélère la cadence euh, le premier ministre souligne l'obligation d'œuvrer sans relâche en vue d'assurer la réalisation des fortes attentes du peuple dans tous les euh, domaines. Instruction est donnée au ministre de tutelle par le président de finaliser la présentation du Conseil des ministres du projet de loi, en Conseil des ministres du mois, du projet de loi de finances pour l'année 2025 euh, qui va être examiné dans des délais exceptionnels. ci euh, site l'info. Mhm. bagarre sortira de l'enceinte en fuyant. Cioè, Apre le foglie ne caia. Anche piene camo. enquête kay fleuve Sénégal la xëyaate ak catastrophe yi nga xam amna fa muy wax zoom sur les euh, crues Mon nek ci page 4 5 6 bu kay bi di l'enquête kay bi wax les victimes face au spectre de l'insécurité alimentaire et des épidémies avec plus de 700 hectares de riz euh, perdus et des milliers de familles touchées par des inondations euh, muy reportage bo xam reportage def nañ ko ci victimes yi nga vu ne ngi raconter calvaire yi dund actuellement ci yéenekaay kay batay incendie à Thiès une trentaine de cantines ravagées muy lu metti loo dans fële uh, après l'enquête libération maman libération violation des tarifications affichées la RTP démasque Sonatel Expresso SAL, et Sirius. À la suite d'un contrôle du respect de la conformité de la tarification affichée, la RTP a découvert chez ses opérateurs plusieurs cas de non-conformité et un manque à l'obligation d'assurer une tarification juste des services utilisés alors pour pour financer Amir Abou placé sous mandat de dépôt il a bi dellusiwaat sur dans les péripéties d'un dossier en trois euh, temps euh, Il a kaay bi victoire écrasante de Pastef lors de Maï euh, félicite Sonko pour son engagement personnel et son leadership Aïcha après libération après libération le soleil. le soleil le président déclenche le compte à rebours Mon monnaie, c'est le nga euh, finance 2025 euh, euh, en conseil des ministres a demandé au gouvernement de finaliser le projet de budget pour l'année 2025 qui va être examiné dans les délais exceptionnels mon ci le soleil. après le soleil il kaay fu ñu l'observateur. l'observateur réseau d'exportation mafia le pays échappe à une. 24 ah, euh, tonnes de pneus usagés ont été euh, saisies pour non-conformité. Leur état rend leur utilisation dangereuse. L'exportateur italien accusé de trafic et de falsification de documents est poursuivi en Toscane. parce que pneus, mhm. Alors, l'observateur entretient le def avec dit que je n'ai pas démissionné de l'APR mais à l'avenir tout est euh, possible ah Vox Populi Monde. Regret reçu par le comité national olympique mon la yéenekaay bi di Vox Populi xëyee moom mi nga xamante champion euh, du monde euh, fële ca MMA mi ngi ci yéenekaay bi euh, Vox Populi.

Golfe quotidien. <laughs> à la de la vie au chômage mon lot Quotidien d'une cuisine euh, déjà salée Kidi enseignant UCAD nous devons consommer euh, local Mais enseignant UCAD le projet s'appuie sur des devis budgétaires et le euh, pape alors adoption de la loi des finances 2025 Jomai en mode fast track c'est page 3 bi euh, Quotidien. Mhm. après Wolf Quotidien Sur Quotidien moment. Sud Quotidien M. Euh, monsieur Manga M. nga désormais mon nekk avec fële ca Ziguinchor y a du pâturage à l'évêché mi ci euh, Sud Quotidien. qualification basket 2025 M. Babacar Karindia, mi invité le premier ministre fële Dakar Arena il y a Sud Quotidien. Inch'Allah. Après ce quotidien, le quotidien. Le quotidien, Jamaï euh, admis aux urgences, le, le quotidien une manière de parler. Euh, après la victoire de Postep au législatif euh, le président inscrit le gouvernement pour la préparation rapide au du budget 2025. Le gouvernement Sonko vit ces derniers jours, mon ex-page 11, pour le quotidien. incendie, feuille de marché centrale, les marchands dans la détresse, municipale de le quotidien après le quotidien las. le quotidien le tout quotidien bi ñu doon tout à l'heure 6 000 dans la zone rouge avec 1836 personnes vivant avec le VIH Il y a kat dellusiwaat na ci euh, quota nombre de femmes nombre de euh, ak xale yi nga xamante ne am nañu euh, le mais aussi di wax que les frontières aussi nekk un problème pour freiner justement pour nous faire def un frein ci li nga day un frein du moins si lutte bi nga xamantene ñu contre le VIH sida après la yéenekaay les échos. les échos dafa les révélation du chef du bureau des investigations kay bi di wax les dossiers ouverts à l'OFNAC ont plus que doublé ils sont passés de 42 en 2023 de 88 en 2024 et devraient atteindre 100 d'ici la fin de l'année li nga xamantene une convocation aussi mi ngi gëna a bëri 602 na ci 102 ci 2023 252 en 2024. Mais c'est page 3 vous Les Échos Tiens, beaucoup, euh, beaucoup, de coalition sàmm sa kàddu wa wax résultat du victoire massive passif. Ça, sa kàddu loolu yëpp wax na ci def révélation et crainte de wax que cette coalition sera maintenue en direction des futures euh, échéances euh, électorales après les échos tribuniers Rekaay moom moom. tribunier Rekaay le xëy di wax l'homosexualité un débat sans fin au Sénégal euh, ndaxte li nga xamante ne euh, la visite de Jean euh, Mélenchon Jean-Luc Mélenchon. à Dakar nous ci yéenekaay bi di Vous bouffée d'oxygène en débloquant les comptes bancaires le fisc allège la pression sur les entreprises de presse. ah yeah yor-yor bi maman. Il y a 47 départements pour Pastef 5 pour TACO, 2 pour jàmm ak njariñ et ànd nawle mooy di euh, nga xamante ni tukkee na ci liber ci euh, résultat provisoire yi euh, ci moom la yéen kaay yor yor le système s'effondre Euh, ki nga xamante ne moom mooy Ngone Ndour euh, nekk PCA wu euh, Soda moom mi ngi xam ne que ne Pastef kese moo jaar pour fay li nga mooy droit d'auteur si son yi nga xam ñu ngi ko doon utiliser ci campagne bi yeneen hmm. coalition yi gisagu leen nee na ñu ngi mel ne ay pirate ay candi dial si beneen yéen kaay lii quotidien lii quotidien Fouta Naba ji si si euh, très remonté contre le maire 56 conseillers ont exigé la destitution d'Abdoulaye euh, Sali euh, Salle. le maire transhumant a été battu par Takowal dans sa propre commune Conseiller, conseiller di que conseil municipal depuis installation après les quotidien réunis quotidien maman. réew quotidien sama euh, urgences du euh, gouvernement euh, Lors moo gënoon fës ci nga la c'est des ministres au lendemain des élections législatives Mingsi quotidien. après quotidien record maman ci li nga Sénégal bu Ah, muy qualification CAN 2025 bi les bonnes notes de novembre Mendy Iliman et Diarra au-dessus de la mêlée gis nañ de bërki dem benn yo duo boo xamante ne allah bu neex la mu duo Habib Diarra ak Iliman Ndiaye ba ñu dugalee itam euh, gis nañ ko bàkk boo xamante ne Iliman Ndiaye ak <laughs> Habib Diarra def nañ ko pour rendre hommage ci ki nga xamante ne moom mooy Reug ma ma Faye réew mi quotidien sport plus ñëw ci li nga xamante ne moom mooy prochain sélectionneur des Lions ngi def fa benn interrogation qui sera le prochain sélectionneur des Lions man moom choisir naa Pape Thiaw priorité au non man laa man ah, man Camara choisir naa Pape Thiaw 100% sénégalais priorité aux techniciens sénégalais Calif Afro Basket la Sénégal disputera un tournoi ce week-end Maman Faye mais tey nga baal ma nag maman gis naa gis naa gis naa sa benn papa boo xamante ne ndeysaan moo waaw ah, loolu dafa mel ne caporal loolu de mun a mun a déedéet mooy père commis bu Walf kooku moom yaakaar naa ne boo di boo di woon ancelotti fii nii Sénégal itam doo doo doo d'accord yaa ngi nii jamais nga d'accord bàyyi ko mu ñàkk d'accord ay ca <laughs> loolu moo gënoon fëstee si dama xam ne <laughs> gomis ah, gomis gomis lu ko moom lu ko dal war na mun a tax rek mu noppi gomis lu ko dal war na mën a tax mu nag gomis dañoo andi damay damay wax de gomis dañoo dañoo andi waaye non non sport la ñuy waxee sport la sport la non non sport la sport la waaye sport la gomis daa andi daa moom moo andi Walf tournoi la presse ñu dóor Walf 7-1 yow xamul dara moom xamul dara moom moo naan wax ji moom moo naan gars yi xamuñ ne. non mais ñi nekk Walf ce sont pas des footballeurs professionnels pour a. non xam yomb. ay footballeurs ay footballeurs gomis dañ mu ne xamul dara. mais loolu dafa yomb. non déedéet. fu mu ne yéen ñiy critiqué Gomis yëpp Gomis raw na leen ci sport. noppi leen fu mu ñu rawee. ah non tamit fu mu ñu rawee. Ah. non pour mën na raw Kaparane. waaw yéen ñëpp ah, war a non man man man bu la ci mbir da ngay non raw yi mooy lan. coach la wala entraîneur la ba mu ñuy raw. maman dafa non raw bi lan la. doxalal seen dana doxal kay. parce que doo ma tegal tey gomis lan lan la may rawee lan lan. si sport ah moom comme que moom feneen la ko waxee dafa joxe affaire. ah et que loolu biir revue de titre bi. non waxuñu revue de nañ foofu. non ñun génn nañ foofu ñu. non xam nga dañ ko tàllal micro naka Pape Thiaw il a xool commentaire de dañoo Pape Thiaw mu ne kooku xamul dara. yow xamul dara boo xam ne yaa ngeen di équipe ñu dóor la set ba pare xanaa kom yow yaa xamul dara yow. professionnel. <laughs> waaye amul projet football daal football la amul ah, professionnel amul amateur. waaye football football la. da nga waaye yow ngay gis équipe locale bu dem bu dem bu dem dóor équipe professionnelle. local local local ñun du ñu football professionnel. déedéet ah, déedéet déedéet amul loolu. waaye ah, amul loolu football